Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'émission Le Niger sur Kalangou de ce mardi 3 décembre 2024. Au micro, je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et avec moi Salamatou Kadri pour la présentation. Bonjour Salamatou, comment vas-tu Bonjour Seno, je vais bien et joyeux anniversaire à toi, l'homme du 3 décembre Seno. Merci infiniment Salamatou, à toi également parce qu'hier, tu as fêté le tien. Merci Seno, alors qu'avons-nous au menu ce matin pour nos auditeurs Eh bien, au programme de cette émission, nous débuterons avec le flash d'information couvrant l'actualité nationale et internationale. Ensuite, nos auditeurs pourront savourer une sélection musicale mettant en lumière les rythmes nigériens. Suivront la rubrique Écho des régions, un volet sportif pour les passionnés et une section dédiée à la culture linguistique. Et enfin, le loti du desk femme du studio Kalango. Dans la partie invitée du jour, nous recevons Bagouma Mansour Kabirou. Il est le délégué général des étudiants de la faculté des sciences économiques et des gestion. Avec lui, nous parlerons de la professionnalisation des formations au sein de la dite faculté dans un premier temps, puis nous parlerons également de la semaine scientifique, culturelle et sportive que cette faculté compte organiser du 4 au 6 décembre 2024. Nous allons clore cette édition avec les messages vocaux de nos auditeurs. Chers auditeurs, sans trop tarder, je vous propose de suivre le flash d'information avec Rafika Ataer. Bonjour Rafika. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour commencer le flash de ce matin, nous allons voir euh, le groupe de la, des sociétés nigériennes d'exploitation semi-mécanisée d'or qui a organisé hier 2 décembre un atelier de renforcement des capacités au profit de ses membres à Agadez. L'objectif est de les sensibiliser sur les obligations fiscales et améliorer la conformité avec les réglementations en vigueur. Lors de son intervention, le représentant du gouverneur d'Agadez a rappelé que l'exploitation aurifère a émergé dans un contexte marqué par des incertitudes économiques et sociales. L'apparition des gisements d'or dans la région, notamment à Djado et Chintabaraden, en 2014 a offert une opportunité économique significative, bien que l'activité reste confrontée à des défis multiples. Cet atelier axé sur la sensibilisation vise à doter les exploitants d'outils pour une meilleure compréhension des enjeux fiscaux et environnementaux, contribuant ainsi à une exploitation plus durable et responsable. En prélude à la tenue de l'édition 2024 du Salon de l'artisanat pour la femme, SAFEM, femme prévue du 6 au 15 décembre à Niamey, le secrétaire général du gouvernorat d'Agadez, Souleymane Seydou Boulhassen, a présidé hier une cérémonie d'exposition des produits artisanaux suivis, artisanaux plutôt suivi de la présentation de la délégation de cette région qui participera à cette 13e édition du SAFEM. Les femmes artisanes Touareg travaillent surtout le cuir, matériel à la disposition de tous les éleveurs pour fabriquer des sacs, portefeuilles et housses de coussin. Enfin, aujourd'hui est célébrée comme chaque 3 décembre la journée internationale des personnes handicapées pour promouvoir les droits, la santé et le bien-être des personnes handicapées à tous les niveaux de la société selon les Nations Unies. Cette année, le thème de la journée est Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. C'est l'occasion de braquer les projecteurs sur le terrain réalisé pour aider et encourager les personnes handicapées à assumer des rôles de direction, à participer à la vie politique et au processus décisionnel, en particulier lorsque cela a un impact sur les systèmes de santé et de la prestation de services de santé. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci Rafika pour toutes ces informations, chers auditeurs. Comme annoncé tantôt dans la partie invitée du jour, nous recevons Bagouma Mansour Kabirou, le délégué général des étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion. Bonjour Bagouma. Bonjour, chers auditeurs. Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Avec vous, nos échanges seront axés sur la professionnalisation des différentes formations qu'offre votre faculté et aussi des préparatifs de la semaine scientifique, culturelle et sportive que prévoyez-vous réaliser du 4 au 6 décembre 2024. Oui, tous. mais avant d'attaquer nos échanges avec euh, notre invité du jour, écoutons d'abord le premier titre musical de notre playlist d'aujourd'hui. C'est parti avec le titre Manigo de l'artiste triste e disse aqui. qui s'est fait connaître au sein d'un groupe musical urbain dénommé Diorodi au début des années 2000 avant de se lancer en carrière solo à partir de 2006. Son premier album intitulé Maniveau qui le lancera au devant d'une carrière promoteuse a marqué pendant longtemps l'esprit des mélomanes nigériens. Et oui, seulement tous les titres euh, éponymes contenus dans l'album étant d'ailleurs désigné meilleure chanson euh, d'amour de toute une génération au Niger par les observateurs de la musique. Avec une voix un peu commune euh, aux assaisonnements, voilà, à la fois Oriental et teinté du timbre des grands griots sahéliens. ça qui euh, occupe une place particulière dans le paysage musical nigérien. Pour véhiculer ses messages, il chante dans toutes les langues Hausa, Zarma, Peul, Kanuri, Touareg du Niger et en français également. Et Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était le titre Manigo chanté par l'artiste Idi Sarti. Idi Sarki, tantôt, c'est le temps pour nous d'échanger avec notre invité du jour. Rebonjour, Bagouma. Euh, bonjour. Voilà, la faculté des sciences économiques et gestion est actuellement dans une démarche de professionnaliser les formations qu'elle offre. Alors, dites-nous quels sont les objectifs de la faculté à travers cette démarche de professionnalisation. Et euh, merci la faculté des sciences économiques et de gestion est dans une démarche de la professionnalisation des différentes, surtout avec les différentes filières. Et l'objectif fondamental et principal, c'est pour euh, l'intérêt des étudiants et même du pays d'une manière générale. Parce que si vous conviendrez avec moi, et à travers la professionnalisation, les étudiants sont directement consommables mhm. sur les marchés d'emploi, dans les différents tas, et chacun dans les différents domaines qui le concernent. Donc c'est ça l'objectif principal de, de, la faculté. Et qu'il y ait aussi, avec le premier diplôme de l'université, tu peux te retrouver. Mhm. Parce que si vous prenez, à un moment donné, il faut aller la faculté. Et à un moment donné, il faut aller jusqu'au doctorat mhm. pour se retrouver. Mais avec euh, la professionnalisation, dès que tu arrives à avoir ta licence, tu es demandé sur le marché d'emploi. Mhm. Tu vas te retrouver et tu seras utile à la société d'une manière générale. Tout à fait, très intéressant euh, ce que vous êtes en train de dire. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur les licences et masters professionnels récemment introduits sur les licences et qui sont à mhm. il y a la licence côté gestion. Parce que c'est des départements, il faut rappeler, mhm. à la faculté des sciences économiques et de gestion. En troisième année, c'est des filières. Il y a analyse politique et économique, il y a gestion. Au niveau de gestion, les licences qui sont les licences professionnelles, il y a la CAA, comptabilité, contrôle audit, il y a FBA, finance banque, il y a les finance banque. Mhm. Donc, euh, je pense bien que c'est les filières importantes qui sont professionnalisées. Surtout les deux là que j'ai cités mhm. et d'autres. Et c'est aussi des domaines qui sont euh, très très demandés sur le marché de l'emploi. Il y a pas mal de banques, il y a pas mal de des agents euh, qui font bien évidemment les audits dans les différentes entreprises et tout. Oui, si vous prenez par exemple le GRH que je n'ai pas cité. Ah, ok. GRH, gestion des ressources humaines. Oui. Aujourd'hui, on a besoin de des, des capital humain dans ce domaine. Mhm. Gestion des ressources humaines, comptabilité, contrôle, audit, tout ça. Donc, c'est quelque chose de, de diplômes qui sont demandés aujourd'hui mhm. dans la société. Tout à fait. Il faut rappeler aussi qu'auparavant, euh, ces, ces, formations n'étaient pas du tout professionnelles au sein de la dite faculté. Oui. aujourd'hui, euh, pour, euh, pour, pour, avoir une formation dans ces domaines, euh, on n'a plus besoin d'aller dans les instituts comme on le faisait auparavant. Oui, auparavant, pour avoir tout ça, il te faut de l'argent. C'est seulement les petits bourgeois qui ont accès à ces genre de, à, ces de formation. Hum. Mais aujourd'hui, avec la professionnalisation, par exemple, aujourd'hui, en comptabilité, contrôle, audit, tu pars, tu fais ta licence. En GRH, tu pars, tu fais ta licence. Mhm. En finance banque, tu pars, tu, fais ta licence. Également ta licence. Alors, et pour le master, quels sont les, au niveau des, au niveau filières qui sont euh, professionnalisées Au niveau des masters, mhm. si vous prenez en analyse politique et économique, mhm. il y a la gestion macroéconomique qui est là en master D, qui est une filière très importante. Il y a encore économie de l'environnement et de développement durable. Donc, c'est toutes les filières-là en analyse politique et économique. Et si vous retournez en gestion, département gestion, il y a aussi comptabilité, contrôle, audit qui est là-bas, en Master D. Toujours, c'est au niveau de gestion, c'est les licences professionnelles qui sont là-bas. OK. Je pas besoin de citer, si vous prenez GRH et management des projets et tout ça. Donc on peut faire la licence et le master en, même temps. En même temps. Voilà, et comment les étudiants accueillent-ils cette transition vers des formations plus professionnalisantes Les étudiants Voilà. Bon, en tout cas, les étudiants se retrouvent hmm. parce que pour eux, c'est. Et on les a multipliés hmm. la chance de se professionnaliser dans les différents domaines. Mhm. Alors, quels défis ou opportunités cela a-t-il apporté euh, pour eux dans leur parcours académique et professionnel Les opportunités. Mhm. Si vous parlez des opportunités, les opportunités euh, sont énormes parce parce qu'il suffit de finir et aller être actif sur les marchés d'emploi. Mhm. Je pense que c'est c'est ça, et la société va se retrouver. Et voilà, et quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces nouvelles formations bon, Les difficultés, vous savez, tout un début est difficile. Si vous prenez, il y avait eu l'histoire de, de quitter l'ancien système mhm. pour le nouveau système. Tout ça, les camarades étaient à un moment donné frustrés parce que on ne peut pas te dire de quitter ton ancien système à un nouveau système et sans que Quand tu prouve que réellement vous connaissez la société, sans que tu prouves réellement dès que tu auras ta licence, est-ce que c'est vrai ce que nous nous euh, proposons, est-ce que ce que et la faculté propose réellement c'est vrai Parce qu'il n'y a pas et, un exemple palpable. Donc c'est le début, il faut qu'il y ait des frustrations. Mais bon, en mal un hein, et les étudiants Maintenant, sont en train de faire ça et on a commencé, la faculté a commencé à avoir des, résultats positifs. Hmm. Super. Alors, euh, quelles sont les, prochaines étapes euh, pour renforcer cette professionnalisation Pour renforcer cette professionnalisation, je pense que les prochaines étapes, c'est de continuer à mettre la capacité d'accueil. Hmm. Je suis désolé de vous dire. En termes d'infrastructures En termes des, des, infrastructures. Parce qu'on ne peut pas créer des, des, licences, sinon des masters professionnels, sans des infrastructures. Hmm. Il faut des, salles de cours. Hmm. Parce que chaque, par exemple, si vous prenez, chaque master a sa propre salle de cours chaque licence également. Donc, et nous faisons face à un problème très sérieux des infrastructures qui, pour que qu'il y ait des progrès, sinon l'avancement dans, ces, dans cette nouvelle méthode, sinon démarche, il faut qu'il y ait des infrastructures. Mm. Merci euh, Bagouma. Avant de poursuivre nos échanges, partons à une autre balade musicale avec l'orchestre Toubal de Dosso qui nous chante le titre Soyeya. grama. Et eh oui, chers auditeurs, euh, vous venez d'écouter le titre Soyeya de l'orchestre Toubal de Dosso. À présent, poursuivons nos échanges avec Bagouma. Je rappelle qu'il est le délégué général de la faculté euh, des sciences économiques et de gestion. Alors, Bagouma, vous comptez organiser une semaine scientifique, culturelle et sportive euh, du 4 au 6 décembre 2024. Dites-nous, quel est l'objectif principal de cette semaine scientifique, culturelle et sportive eh, Merci bien. Nous sommes dans la préparation de la semaine scientifique, culturelle et sportive, qui est une activité d'air phare de la faculté, qui à travers elle, la faculté fait sa visibilité et la promotion de ce qu'elle est en train d'entreprendre. Le but Sinon, l'objectif de, de cette activité, c'est tout d'abord pour accueillir des compétences à travers les conférences qui seront animées. Si vous voyez la thématique, elle est d'actualité. Donc, les conférenciers, les experts seront présents qui vont animer des conférences et partager avec les étudiants les savoirs scientifiques. Et au-delà de ça, renforcer la cohésion sociale entre les étudiants, les enseignants, chercheurs, les PAT et même entre les amis, c'est-à-dire de d'autres facultés. Mm. Alors, vous parlez également d'un thème qui a été euh, prévu pour euh, euh, cette édition de votre semaine scientifique et culturelle, et sportive. Pouvez-vous nous rappeler le thème C'est quoi Le thème parle de quoi Le thème, c'est la contribution des étudiants de la FSEC e dans, pour promouvoir l'émergence de l'économie nigérienne dans le contexte actuel qui est un contexte où, on fait face de la crise mhm. sécuritaire et économique. Surtout dans les États souverains de l'AES. Hmm. C'est ça. Le thème euh, qui a la été... thématique qui, a été, qui proposée. Proposé. Hmm. Alors, quelles euh, opportunités cette semaine offre-t-elle aux étudiants pour s'exprimer ou euh, développer leurs compétences Ce que je disais tout à l'heure, à travers les échanges, mhm. les étudiants vont faire des propositions. Vont faire des propositions, sinon même au plus haut sommet de l'État. si, par exemple, pour proposer, pour faire face à cette crise économique, les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion ont cette compétence de proposer des politiques économiques qui seront mises en application, mm. qu'enfin qu'il y ait solution à cette crise. Et voilà, quel est l'impact attendu de cette semaine sur la faculté et les étudiants L'impact attendu, c'est qu'il y ait, à travers les échanges, qu'il y ait que la faculté soit visible, que la faculté soit une faculté qui va proposer des solutions au plus haut sommeil. Hmm. Qu'on dise, les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion ont proposé des politiques très sérieuses hmm. qui ont solutionné les problèmes économiques. Nous l'espérons euh, de tout cœur pour qu'il y ait des très belles propositions et qu'aussi aussi au cours euh, des différentes conférences qui vont se tenir, qu'il y ait des très belles analyses venant non seulement des étudiants mais aussi euh, des enseignants ou des conférenciers qui vont tenir ces différentes conférences. Alors, vous avez parlé du côté scientifique, on va parler également du côté culturel parce que c'est une semaine scientifique, culturelle et sportive. Alors, concernant le côté culturel, euh, qu'est-ce que déjà euh, la faculté ou la délégation des étudiants euh, est en train de, de, prévoir à, ce qui concerne les activités culturelles, la faculté est en train de voir comment amener des artistes compétents qui vont qui seront avec les étudiants tout simplement pour défrustrer les camarades. Si vous conviendrez avec moi, et les artistes jouent un rôle très important, surtout dans la défrustration des camarades. et voilà, Baguma, quel conseil donnerez-vous aux étudiants pour tirer le meilleur parti de ces innovations et événements En un mot. Le conseil que j'aimerais dire en tant que délégué général, c'est que qu'on puisse être tous attentifs et suivre les, toutes les activités qui seront organisées et écouter et prendre des propositions pertinentes, c'est-à-dire avec qui seront proposées par les conférenciers. Voilà, merci infiniment à vous, Baouma, d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous vous souhaitons une excellente journée et bonne chance pour vos activités. Merci bien. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Oui, Salamatou, nous sommes euh, mardi, nous allons parler santé. Et oui, selon la rubrique santé d'aujourd'hui, nous parle de la prise en charge des malnutris au niveau du CSI de Matamei. Oui, la malnutrition reste un défi majeur pour euh, de nombreuses familles nigériennes, notamment dans les zones rurales. À Matamei, dans le département de Kantier, le centre de santé intégré joue un rôle crucial pour accompagner les mères et leurs enfants entre sensibilisation, témoignages des femmes et solutions proposées, Fanta Chamsou s'est rendue sur place pour euh, comprendre les enjeux de cette lutte quotidienne. Jama'a salamu alaikum. Kun da ta gabata ta kasance ranar kasuwar garin mata mai gundumar kanti kimanin karfe 11 na rana. Gidan likitar garin cewa da CSU Irben ya cika makil da mata fiye da su 50 ne kewaye da shugaban likitar yana wayar musu da kai yawancinsu sun fita ne daga ƙauyuka da ke kewaye da garin kuma sun kawo 'ya'yan nasu masu fama da cutar kwamaso cewa da tamowa zainabu da lubabatu sun yi mana ƙarin bayani mun zo mu amshi madara ta yaranmu don su karu saboda karanci ciwon nan da suke tare da shi eh wannan magani dai ina ga yau dauka ta biyu ce eh, wannan cuta dai ina ga yau da zaman satin ta uku muka gane cewar e wannan ciwo na ta na kwamaso ne muka kata asibiti e amai da zawo ne take yi sai ta yi limtu ashe lokacin nan ta samu karamcin raguwar jinin jiki a cikin tuwal watanta e to gaskiya da muka gare ta tsananta lakata ta ta tabshi muka ce wannan ciwo nata ya kamata mu je gurin magabatan wanda suka san ciwon nan a bata magani me yake damunta da fari dai zawo ne da ama ya sha mata kai muka kawo ta likita aka rike mu kwanan mu hudu a likita aka sake mu da aka sake mu aka ce mu zo na mu ringa amsa wannan abin fulan. wancan su kusa Sanye yake da farar rigarsa ta likitoci kamar kowace ranar Juma'a, wakilin wannan likitar yakan kwashe lokaci tare da waɗannan matan yana nuna musu illolin cutar tamowa akan lafiyar 'ya'yansu. sannan ita wannan wayar da kan kaɗanta daga cikin dabarun likitoci na shawo kan wannan malatin malam magaji muhammad wakilin likitar ɗauke da karin bayani eh, akalla dai zan faɗi muku lamuwayan in admission da muke samu a na 'yan kwamaso kun san period period ne akwai period silencious akwai period kuma da peak lokacin kamar in ka lokacin period da su in ya zo lokacin kun ga a lokacin nan ne gida babu abinci a lokacin nan ne 'yan kwamansu suke mana yawa a lokacin nan ne muke iya samun wajen nouvelle admission wajen 200 amma in ba na lokacin nan ba lokacin kaka in ya zo kowa da dan abincin shi wanda zai kula da yaran shi kamar war haka admission in basu da yawa ba su kai 200 wannan wasu wataran 100 ne wataran ma ba ta kai 100 ba kula da shi kwamaso ma dama na farko ma kahin ma a zo in muna da wakilanmu wanda suke a kowane gari muna da wakilai wanda gwamnati ta ɗauke su tana kula da su tana ta hore su kuma akan wannan ka bincika in akwai kwamasan ka turu ɗaukan shi an da ake gaba ɗaya a san har sai ya warke. Wa'annan matan a ko da yaushe sukan amfana da shawarwarin da suke samu daga likitoci. Mariya Ali ta fito ne daga ƙauyen Bashanya bayan ta aiwatar da shawarorin. Ta shaida mana irin sauyin da ta gani kan 'yar tata 'yar kimanin wata uku mai ɗauke da wannan cutar ta kwamasu. biyata na kaga tana salamatu nake ga tana ja baya tana kariya tana zawo tana ja baya tana kariya Sai na goyo ta muka hayo ni da mijina muka zo wannan likita karama ban yi ba ma ta huma zan kai ta da rai da naje aka mata aiki iyaka kuma naji daɗi sosai kuma suka rubuta mini karamar likita suka ce ina ne nake amsan madara na ce mata ne aka rubuta min nan karamar likita suka ce in rika zawa ina amsan madara ni yanzu haka daga bashen yammace hudu na sun zo suna karba dalilin da suka gana kata ta samu layi. Ita kuma Libabatu yar kimanin shekaru arba'in ta fito ne daga ƙauyen goruwan magashi ita ma ta nuna mana jin daɗinta akan sauyin da ta gani ta tare da 'yar tata bayan ta kawo ta likita makonni uku da suka shuɗe ta kuma ƙara meka kira zuwa ga mata waɗanda suka kwammace su ɓoye cutar 'ya'yansu e eh, gaskiya mata yan mu domin allah ku daina ɓoye ciwo a dan kaga ka ya kamu da amai da zawo kwana ɗaya zuwa biyu in ka daɗe kawai ka tafi asibiti inda za a ba ka magani ya samu lahiya a dan ka ɓoye ciwo ma ɗanka ya jagalgale sosai kai kawa kanka A shekara ta 2022 a ƙasar Nijar cutar gwamaso tana taɓa kashi 12.2 cikin ɗari na yara masu ƙasa da shekaru biyar a maimakon kashi 12.5 cikin ɗari a shekara ta 2021 ba wata tazara sosai kamar yadda ya fito a cikin wani rahoto wanda ma'aikatar agaji ta majalisar ɗinkin duniya cewa da osha ta wallafa a kan shafinta na yanar gizo a watan maris shekara ta 2024 voilà chers auditeurs c'était là la rubrique hebdomadaire santé et notre tour en musique c'est nous avec Bori Band qui nous chante chers auditeurs, c'était Santana de Boribanda. C'est nos directions d'IFA pour parler de santé animale. Oui, euh, Salamatou, cette année, l'abondance des pluies a suscité de l'espoir parmi les éleveurs de la région de Difa. Après euh, des mois de sécheresse, cette pluie est perçue comme une bénédiction qui pourrait changer le paysage et surtout améliorer la santé euh, des animaux grâce à une euh, meilleure disponibilité des pâturages et forages. Écoutons le reportage de Guidi Abdraman. Le directeur régional de l'élevage exprime son optimisme quant aux effets bénéfiques de ces précipitations. Il souligne malgré les dégâts causés par les inondations, la production de cette année est encourageante. D'ores et déjà, euh, l'année tire à sa fin et vraisemblablement cette, cette campagne hivernale semble être reluisante par rapport aux années antérieures. Les espèces fourragères ont bouclé leur cycle, du comme des légumineuses. Partout, la production est bonne. Ce dernier euh, temps est marqué par euh, la remontée de, des eaux de Komandougou qui a causé des dégâts sur les pâturages aussi bien sur les champs. En tout cas, des centaines d'hectares ont été inondés. Ça, ça constitue vraiment un manque à gagner pour les passeurs, les agro-passeurs et même les agriculteurs. Dieu merci, nous avons eu en tout cas une bonne production pastorale cette année, mais il y a l'inondation et le feu de déjà. Le mot que nous allons dire à l'endroit de passeurs et des agro-passeurs, c'est de, de, tout faire pour conserver ce qu'on a dans la partie nord. Et il faut qu'ils évitent de faire une descente précoce. Parce que jusque-là, il y a des cultures qui ont vraiment des cycles. Ou même d'ailleurs, leur mise en place même était en retard par rapport aux autres. Du côté des éleveurs, le président de la Fédération des associations et collectifs euh, pastoraux de la région rappelle euh, cependant que l'augmentation des pluies entraîne aussi une hausse de maladies il attribue cela au changement de conditions alimentaires pour les animaux. La situation de la santé animale cette année, en tout cas, elle a été dure, comme on le dit. Après la saison de soudure dont on a vécu, le manque de pâturage de l'année passée, ça a suivi euh, des pluies abondantes. Au tombé des premières pluies, on a eu beaucoup de mortalité due à des maladies. Des maladies dont on ne connaît pas l'origine. Et c'est toute la région de l'IFA. Tu vas trouver dans un troupeau où il va avoir plus de 50 têtes qui vont en ne rien de temps, vont mourir. Là, le service de l'élevage a pris des dispositions. Une équipe a été dépêchée de Niamey pour venir faire les prélèvements. Donc, ça a impacté beaucoup, c'est-à-dire les chapitres cette année. Au marché à bétail, les effets de pluie se font également sentir. Mohamedou Dilal, vendeur de bétail, explique que les animaux sont chers cette année et la qualité du bétail moindre. Cela a causé la disparition des animaux sur le marché cette année. Le marché fonctionne normalement, mais cette année, il y a moins d'animaux disponibles. De plus, le prix ont considérablement augmenté par rapport à l'année dernière. Le coût ont pratiquement doublé. Par exemple, une brebis qui coûtait 50 000 naira équivaut à 18 000 francs CFA l'année dernière est désormais vendue entre 90 000 et 100 000 c'est vraiment cher. Pour acheter un bon bouc, il faut prévoir au moins 50 000 naira, contrairement aux années précédentes où nous exportions nos animaux vers le Nigeria. Ce sont maintenant eux qui nous en fournissent. Cette année, les pluies ont apporté des bienfaits attendus depuis longtemps par la communauté pastorale. Malgré certains défis sanitaires, les éleveurs et les autorités s'accordent à dire que si les conditions de pâturage continuent de s'améliorer, cela pourrait marquer un tournant pour l'élevage dans la région, avec un impact positif tant sur la santé animale que pour l'économie locale. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportive Adam Sariou est dans ce studio avec nous. Bonjour Adam. Bonjour Salamot Kadri, bonjour c'est nous. Bonjour. Adam, nous débutons cette page sport avec un mot sur la lutte traditionnelle, n'est-ce pas eh bien, nous sommes à trois semaines du début de la 45e édition du Sabre national qui se tiendra du 20 au, 29 décembre à Dosso. Nos correspondants de l'intérieur du pays nous parlent des préparatifs de chaque région. Aujourd'hui, nous commençons avec Tilaberi où 12 équipes des 13 départements que compte la région ont participé au combat de sélection en présence de l'ensemble des autorités administratives de la région à La particularité cette année, c'est le, retour remarqué du lutteur Salé Dauda d'Agadez qui vient s'ajouter aux favoris de la région Ousmane Abdou Di Janvier qui a déjà remporté le sabre pour la région de Tilaberi. Nous écoutons les explications d'El Haji Laminou président de la Ligue régionale de Tilaberi, au micro de notre correspondant Hassan Moumouni. lallai departaman goma sha uku gare mu jihar tilibiri amma departaman goma sha biyu suka hallara a ballai yara kuma mun yi shagulgula yadda ya kamata a yi mun yi zade irin nagari yan kokowa ko ci departaman ta kawo mutum goma sha ɗaya dai idan ka ɗoka suna kama wajen mutum ɗari da ashirin da biyu suka zo nan a ballai yara na alhamdulillahi kuma mun gani kuma an yi tare da magabatanmu kilara kaɗai ne ya bata zo ba cikin zaben da muka yi cikin departament goma sha mun zaɓi yan kokowa guda ashirin daidai a sunan jihar telederi duka president na section in telederi goma sha uku nan duka kowane ya halara da director director goma sha uku nan banda bankilare kowane ya zo kuma tare da su muka yi renon muka tsaye da waɗannan mutanen har muka isar da su gaban gwamnan jiha kaman janbiye Voilà, merci euh, pour le point sur la lutte euh, et nous souhaitons bonne chance à la région de Tilaberi. Alors Adam, parlons à présent football. Eh bien, en football, le MENA national version Chan se prépare activement pour sa double confrontation contre le Togo. Le match aller est prévu le 22 décembre 2024 à 16h GMT au stade de Kégué à Lomé. Le match retour le 27 décembre 2024 à 16h GMT au stade du 26 mars à Bamako. Pour rappel, le Niger a éliminé le Togo aux deux éditions passées des éliminatoires du Chan. L'objectif des hommes de Aruna Doula est d'éliminer cette belle équipe togolaise pour une troisième fois. Chers auditeurs, c'est la fin de cette page sport. À demain pour un autre numéro. Merci Adam pour toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour. Et la rubrique Portrait de ce mardi nous amène à la découverte d'une jeune photographe de nom de Mariam Jarmakwe. Et oui, c'est nous. elle est l'une des meilleures photographes d'Afrique retenue pour la cinquième édition du marché d'art contemporain qui s'est tenue du 18 au 23 novembre 2024 au Burkina Faso. Plus de précision, écoutons Mariam Adé. Maria Jermokoita Tawai Ousmane est une jeune amatrice de photographie. Elle fait partie des plus jeunes photographes du Niger. Actuellement à Master à l'université de Niamey, elle jongle entre ses études et sa passion. Elle raconte ses débuts. Pourquoi le choix de la photographie Au fait, la photographie, je dirais que c'est un art qui me passionne vraiment. D'où mon choix s'est porté sur ça. J'ai découvert la photographie récemment en tant que art lors d'un module qu'on nous a dispensé à l'université. Donc c'était parti de là. Et ça fait maintenant à peu près trois ans. Pour moi, la photographie, c'est vraiment un moyen de m'exprimer. En tant que femme, Mariama évoque certaines difficultés dans le cadre de son métier, une réalité du terrain qui peut entraver son travail mais elle parvient toujours à surmonter ces obstacles grâce à sa détermination et son amour pour la photographie. En tant que femme photographe, la photographie, je dirais que ça a son avantage tout comme ça a son inconvénient. Quels sont les avantages dont je parle Par exemple, là où il est difficile pour un homme d'accéder, moi en tant que femme, ce serait plus facile pour moi d'avoir accès à cet endroit. Mais quand je prends le côté sécurité, il y a des endroits où moi seule, je ne peux pas m'y rendre. Et quand j'ai pas cette personne-là pour m'accompagner, ça va me limiter. La jeune femme est aussi une réalisatrice car selon elle, les deux vont de pair. Oui, bon, j'ai deux courts-métrages dont le premier camarade, il a été sélectionné à des festivals dont Clap Ivoire. Et il y a un, c'était un film d'école qu'on a réalisé à l'université. Bon, la photographie et le cinéma, c'est presque la même chose parce que ils sont complémentaires. On a commencé la photographie avant de commencer le cinéma. Mais moi, je dirais que c'est le cinéma qui m'a amené à la photographie parce que c'est avec que j'ai commencé. Dévouée pour son travail dans la photographie et le cinéma, Marie, comme l'appellent ses amis, a les soutiens inconditionnel de son mari Rachid Sandamega en tant qu'artiste et épouse. En tant que mari, je la soutiens vraiment dans ses fin vie de foyer et travail. Elle arrive à s'en sortir parce que moi, je l'aide beaucoup dans ses fins pour qu'elle ne puisse pas se sentir assez seule ou non soutenue. Et j'espère vraiment qu'elle aura une très grande carrière et qu'elle pourra faire le beau jour de la photographie au Niger. Récemment, Maria Major Mokoy a été retenue pour la cinquième édition du marché d'art contemporain qui se tiendra du 18 au 23 novembre prochain au Burkina Faso. Une reconnaissance méritée de son talent. Voilà, chers auditeurs, après ce portrait, dégustons ensemble notre dernière musique prévue dans la playlist d'aujourd'hui. C'est parti avec l'orchestre Carnaval de Maradi qui nous chante La Marinceau. Seno, après morinso, on passe au loti du jour, n'est-ce pas Oui, Salamatou. Et ce mardi, le sujet du loti concerne les animaux domestiques qui errent dans la ville. Ces animaux causent des dégâts dans les foyers voisins. Pourtant, les autorités de la ville interdisent la divagation des animaux. Fanta Shamsou, Hawa Ousmane et Samira Rouafi. hey kai kai me wannan ke dakata wai me ke faruwa me yasa kike korar wannan zabbin ji da Allah har ma zake waɗe ai yau in na kama su miya ta za ta yi daɗi dama kwanan ga talauci ya ishe mu ba mu nan sana nama cikin miya yau miyar zabi za mu ciki dan bar in kama su ke dai ba ce min kika yi zabbin naye ne ba makwabci yake duk a hukumar zake yake yanka su ko ita ta baki in ku kika yanka ba da sanin ta ba sata ce to ai su ma ba tambayi izini na ba da suka tashi suka shigo gidana ke saboda su ban iya shanya gari a cikin hilina dibo yar garkar da nai duk sun bi sun canye yan iri na na kwafto dibo wanga iccen Pom Kanel ne mai ɗan karen tsada, shekaran jada na sai shi amma sun halaka ta shi ma. Ke amma bar zancen ita ta kita. Ini ini ke ina shara suna min kashi. Bar in cinye su, kowa ya huta. A gaskiya wannan bai yi ba. abin da zahi gyaran ilgirkin nan ma ba karamin aiki ba ne wai shin kin ma taɓa zuwa kika nemi nayin ku tattauna saboda ta rike wannan kashin na ta sauran miki banna hmm. aini ya hi so da na ta ina mata magana a hankali ina lallabata ta kama zabinta sai ta ce za ta yi za ta yi ke kamin zabin nan awaki ne gare ta waɗanda take saki duk sun halaka itacen da aka shifka wa cikin unguwarka saboda waɗannan dabbobin nata ta bata da kowa a cikin wannan unguwar ba ni kaɗai ba fa abin bai ce mata komi to yanzu rabi in kika yanke wannan zabin nata ai wallahi sai kun tara yaƙi a ita kuma kina ganin ta ma sha Allah eh wallahi ta damke ki sai an yi gumurzo ai in gaya miki cikin haraka waɗa. Ƙarhin zuciya shi ke waɗa. <laughs> to sarkin zuciya ke dai yanzu zo mu tahi in raka ki wurinta mu je mu mata magana hankali kwance a samu huta kan wannan al'amarin to mu je assalamu alaikum wa alaikum assalam kai makwabciya rabi ke ce ina kwana a gaishe ku bismillah ku hmm. Ina kwana na yi, ni abu ke makwabciyarki. Mun zo nan ne saboda wannan zabin naki suna mata banna sosai inda ma kin ga gidanta. Kacar kacar walla dukka sun bata algarkan nan da ta yi. Hmm, Allah mutanen ango gani kakana zan yi da su ba su da haƙori ko ko ko kaɗan ni ban san bakin ciki ne ba ko gani yan kajin ga da yan zabin ga suna walawa shine ya tsone musu ido da farko an ka ce a ah, awakin nan nawa sun yi haka sun yi kaza sun yi kara masa sure sun kai ta wata masiwa babu irin abin da ba su waɗi bisa kai gare ni ba sai da na ɗar mai su bayan ceniya bayan Allah suna can duk sun ƙawahu sun takure kuma yanzu kuma kun zo nan ga babu kun yawo tsoron Allah ku ce min ƴan ƙananan zabbin ga wasu sun ɓata wata garka to wai ni mina na kuka so in yi wai dan Allah dan annabi ha kun sani kuma da awakin ga ba, ba iya rike su aka yi ba su yi jin daɗi in suna a sake haba dan ba na ga miki barahila da ba na ce miki ba ta sauraron kowa ba kika ce sai mun zo to mun zo kin gani ai ya hakuri rabi haba yi da ma kika samu kika a waken kin yi tunani saboda wallahi hukuma tana nan cikin gari ana kama shi masu yawo kuma idan kun aka kama su kai tsaye ne ake kai su bariki sai ku kin biya kuɗaɗe sannan ki amso su kuma shi ma wai akwai lokacin da aka kayyade ma mutum in kuma kika yi jinkiri biki amso su ba to shi kenan kai kin sadaka sadaka kuma cikin wanga lokaci abunda da asusu ni sai su na wata biyu a da Allah ku bago ga magana a to haka dai doka ta ce za a saida su ko kuma a je a kai su gidan marayu a musu garabasa kai kai kai ai ni ban san da wanga ba kin ga wannan zabbin naki ki hu musulma ya kamata ki san cewa akwai hakkin makwabtaka bai kamata mutum ya shiga hakkin makwabcin shi ki bar zabbi suna yawo gidajen mutane suna yi musu ɓanna kin san dai wannan addini ya hana shi sannan kuma idan kika ci gaba da haka za ki kwashi zunubi saboda wannan. Zunubi kuma ba wani adacinan su ba, ba kuma ni na aika su can ba su ɗai suka tai da kansu. Kenan kaka zan yi kwashi zunubi sai dai su su kwashi abun ba ni ba. Yo ba naki bane, ke ce kamata ki kula da su, ki su cikin akurki ko kuma ki hihige su su bar tashi. Ba za su hira ba, balle su jan gidan makwabci su kawo miki matsala. Hey, gaskiya akulki ya hi wanga abu duka. In sun ma zamna nan gani kan kaina wallahi gwada lagatawa, ba barin ta za su yi ba komai bai kaluwa sai ma mun ci tutun zabi wallahi. Mm, kenan kin san suna shiga suna banna ne kike barin su ni dai na gaya miki ina ƙara ganin su gidana miya ta za ta yi zakwai a to makwabta yi hankuri ke ɗai ce ma ke min magana har yanzu cikin waga anguwa a to ni dai na haɗa miki rabi tunda ta baki haƙuri shikenan ya kamata ki hakura ki yaye mata to shikenan makwabta Allah ya yi mana mu duka to shikenan kai seno seno to da Allah ka kama mini mu sai ma abun yin akulkin ga mu yiƙe wa'in ga zabi ka suka mana matsayi Voilà, chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi accompagnés de Maman Ada, il est journaliste et traducteur en langue Hausa au studio Kalangu. Aujourd'hui, avec lui, on va découvrir ce que signifie le mot esclavage en Hausa. Bonjour Ada. Eh Sino barka da haraka. Mama Ada ina kwana. Barka ina kwana lafiya kalo niki wallahi. Eh, yau za mu magana kamar da kace bisa esclavage wato da Hausa za a cewa mu tunatar da dai mutane cewa biyu ga watan Disamba shekara ta 2024 tana kasancewa ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da bauta wato bauta ita ce esclavage mm. wato makasudin wannan rana shine na kawar da dukkan nau'o'in da suka shafi bauta ko da ta zamani ce musamman wannan lokaci ana ganin safarar mutane da ake yi ka ɗauki mutum kai shi ko ka maida shi ɗan ka yi kasuwancin mutum wannan ko ka yi bautar da shi shine ake cewa wato bauta ta zamani sannan kuma ana shigar da ƙanana da maya cikin harkar eh, karuwanci sannan kuma akwai auren dodi shi ma wannan wata bauta ce sannan kuma yara a tilasta musu kamar su shiga cikin harkokin yaƙe-yaƙe shi ma wani nau'in in bauta amma irin wannan lokaci ta zamani kenan kun gane wato masarar za su gane cewa ah, kalmar ta mu da zamu ba da bayani kanta ita ce bauta kalmar bauta wato bauta na nufin wato a maida wani dan adam wani bawa a kaskantar da shi ya zama kamar kawo wasu wani abu dai na wanda za a yi amfani da shi ta kowane hali kaga an ka duba a da sarakuna gargajiya namu suna bautar da mutum wannan duka ana so a kawar da ita wannan matsala ta bauta a cikin wannan eh, rayuwa ta mutum da kullum musamman a wannan kasa ta mutum jihar akwai kungiyoyi da dama da suke kokowa da wannan matsala ta bauta to kuma yana kasancewa wani gallazawa ko cin zarafi ko kuma cin mutuncin mutum duka waɗannan al'amura suna shafar abin da zai ake ce ma bauta kenan muna fata za ma sauraron su gane da haka ɗin wannan yana da kyau mutane su gane da cewa bauta ba abu ce ba voilà merci beaucoup maman Ada pour cet éclaircissement sur le mot esclavage chers auditeurs si vous avez d'autres mots ou expressions d'où on vous souhaiterait avoir l'explication en anglais en hausa en zarma en ou en n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64 oui et justement, euh, nous allons écouter ensemble les messages vocaux qui ont été envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. aiwa so zai nuno shehu ibrahim ni gina ise an kan egba aranga eh, radio kalangu bore radio kalangu ingana ga hangan da bayan ne wa dokoro di du hankari gaba ara matontani se lokaci ka yi gino alhabarodin radio kalangu radio no kanga borno alhabaru haikul kante radio kalangu aga ke labora aga hima ara mutonten irse lokato kan aga laboro no hadan ga kana shi gomo zama radio no kanga borno baru kan manti tare wanno cimi wanno hankante labora anga no gici se radio kalangu radio kalangu radio no kan ir bayan nan go eh ir ko ma cimo ir go ga hangan da bayan ir ga bara mutonten irse lokato kan aga lahabaru no aban naka bakar ahmed zango nirmaniya gaskiya ni kin sali zidana tizara zana sasale radio studio kalangun hi salla wasille anta da zage waye wa kullun nara ta wanda ta gini salla sana gara zana na wulle wulle to ni kini zara ta na garro salla na zuwa karhe biyar da daga stuwar ta shatan nerfi to anta da na garro salla kullu wanda wannan masu wannan madal kullu wannan fa na madal to waje gawar tilana gwamnati na kal studio kalangu gazan da mara sun sallo rawada wara de wana studio kolongu den tamara da sasa girna ta wonsa sortin nigara agala kunna nin da kullar ta gawa ya komi da komi grant jala nigara ta ya kasa girin bayar na ta ya makan da kolon kullu de da sasa marra gaskiya ni kinar ta ya gani burgiya wulle wulle wanda studio kolongu da salam kullu wannan mas ne wannan naskar ne wannan mas ne wannan magara wannan mas na ga kullu de da tan nigaro nigaro sasa girya masa ya fana wulle wulle insha Allah tabarakna Allah gaskiya radio studio kolongu ni kini gaskiya ne can fa tulle wulle sale zadan ne sale sunana su gaji malam sani mai kasat dalibin jami'a mazaunin birnin kwanni abinda muke kira da studio kalangu kuma muke fata a wannan sabon shekara game da tsarin da muke so su kara gare mu masu wurin su muna son su hiddo wasu shirye-shirye bisa wanda ya shahi ara ma matasa waye musu kai game da shaye-shaye game da harkar dabanci game da shiga kungiyoyi na mafiya da sauransu wannan shirin muna son studio kalangu ta yada shi tunda studio ne wanda ko ina ana jin cikin kasar Nijar kenan shi na da unhwani a ce wannan tsarin shigo da shi game da kuma ci gaba na daya mata rage yin karuwanci rage yin shaye-shaye shaye-shaye wanda ke kai su zuwa da halaka duka wannan shiri ne wanda muke so da Kalungu a ce ta ki ku game da wayin matasa ta generation ce wanda ta yi yawa ta matasa kuma haka bisa abin da shahi gida siyasa ko kuma abin da shahi kiwon lafiya to muna so a ce akwai shiri na musamman kuma mu matasa muna so da Kalungu a koda yaushe kuma muna ƙara jinjina musu da ayyukan da suke yi kuma muna godiya saboda matasa su ne kashin gadon bayan al'umma kenan komai za a yi da matasa akan shi kenan muna son su gane matasan nan su ne yan gobe. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangou. Vous êtes en compagnie de Ali Munkaila Ousseini alias Seno et moi-même Salamot Kadri. Le plaisir était grand comme ça de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. oui, à la technique, c'était Laweli Issa et la grande dame Dawaki a assuré l'édition. Excellente journée à toutes et à tous. Bye bye.